on est là aujourd'hui pour rehausser de notre présence la fête de l'excellence organisée par Madame le maire de la commune de L'impression que nous avons, c'est que c'est une fête réussie. Nous avons assisté vraiment à une grande mobilisation des populations autour de Madame le maire. Toute la communauté éducative est là et on ne peut que s'en réjouir. Au niveau de Mourdeux, 2, nous polarisons sept communes, dont la commune de et nous avons des résultats satisfaisants, ah. aussi bien au niveau du CFE, avec un taux de 81,21% euh, à l'échelle de l'IF, mais la commune de Ndiaganyan est à 81,27%, donc est un peu au-dessus du taux de l'IF. Au niveau du BFM aussi, nous sommes à 74,15% de taux de réussite à l'échelle de l'IF et la commune de Niaganao est autour de 66,28%, donc euh, légèrement en baisse par rapport à, l'IF, mais globalement c'est des taux de réussite très satisfaisants. Ah, parce que depuis trois ans, les taux évoluent donc positivement, donc, euh, et ça c'est grâce vraiment à l'accompagnement de tous les acteurs, hein, dont les maires, qui nous accompagnent vraiment dans la mise en œuvre de nos missions. Et là, vraiment, les performances des filles sont meilleures que celles des garçons dans beaucoup de domaines. Hein. Ça, vraiment, c'est une tendance que nous avons constatée au niveau du système éducatif, ce n'est pas seulement à Ndiaganyao. je pense que c'est le résultat de toutes les interventions menées hein, au niveau des filles, l'éducation des filles, parce que ça fait des années le focus est mis sur l'éducation des filles, leur accès, leur maintien à l'école et à beaucoup euh, de partenaires hein, qui, qui, au niveau donc, de l'accompagnement des filles. Et nous pensons que ce sont ces fruits-là qu'on est en train de récolter pour le moment. Et l'activité, c'est une si solo déjà j'ai impression que vraiment c'est une première édition c'est une grande réussite et à Karnane, ne ñuy def euh, encore réussir parce que l'homme solo c'est ce loolu day madame le maire eh, mbirum jang mi soxal nako ñun li ñu yoré ci école nak ci Mbour 2 eh, toll na ci 184 école publique 40 écoles privées donc euh, carte scolaire bi yatuna parce que dañu ngank 7 communes yi donc commune u bi te vraiment globalement euh, vraiment jang mi mi ngi fi mi ngi mi ngi dox kanam ici di ñetti at yépp vraiment résultat yi am BFM comme da fay vraiment yok at mu ne fay yok ñetti at yi loolu lañu ñu remarqué ñuy bëgg aussi muy gëna yok yokk activité yu melni dina ci vraiment participer parce que bo jëlé CFA bi rek vraiment téeméer yo jël juroom ñett fukki ak ben ak lu top euh, ci EF Mbour 2 amna ñu CFA ci biir loolu nañ commune bu ñaaw mom juroom ñett fukk ak ben bu tek ñaar fukk ak juroom ñaar donc mo ëppalé touti sax taw EF bi la am donc ça veut dire que njaga ñaaw vraiment côté boobu jàng mi mi ngi dox boo jëlee BFM bi aussi ñun si IF Mbour de 74 mooy juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu teg la ñu am ci taux de réussite au BFM ci commune njagañaaw juróom-benn fukk ak juróom-benn yu teg la am donc moo gën a wàcc tuuti vraiment niveau IF bi mais ni ñi ñu ngi si liggéey pour que vraiment mu dab IF bi wala mu raw ko sax donc pour dire que globalement daal. vraiment commune Ndiagañaaw moom mu ngi am na résultat yoo xam ne si quand même mérité na ñuy organiser fête bu mel nii. parce que bu doon commune boo xam ne si taux yi dafa faible boo organiser fête bu mel nii aussi day xaw a euh, xaw a doy waar mais vraiment euh, résultat commune bi méngoog naag vraiment euh, excellence bu ñu buñ bu ñu gis fii quoi. si di ñetti at yëpp vraiment résultat yi ñuy am BFM comme CFEE dafay vraiment yokk.